waaw waaw waaw. joma joma sene bi. Gaston Merci beaucoup, Madame, Messieurs. C'est Baba Mbaye du groupe euh, Babacar Abba de Tahaou Sénégal. Nous avons voulu nous entretenir avec vous puisque nous venons devant une situation inacceptable de renoncer à notre présence dans le groupe parlementaire Yewi Askandi. Il se trouve que depuis quelques semaines, le groupe parlementaire travaille sans nous. On n'est convié à aucune rencontre, on n'est convié à aucune réunion, aucune information n'est portée à notre égard. Malgré la générosité de Khalifa Sall, puisque quand on a fondé ce groupe, puisque M. Batli Diaz était le candidat à la présidence de l'Assemblée, la présidence du groupe parlementaire a été cédée au parti Pasteur. Mais mieux encore, M. Ousmane Sonko avait demandé à avoir un poste pour quelqu'un qui n'a pas fait la formation à l'école française. Nous avions cédé le poste de vice-président du groupe parlementaire qui revenait à Tahaou à M. Cheikh Mbake. Lorsque certains partis ont voulu faire preuve de boulimie, le président Khalifa Sall avait demandé à ce qu'on soit généreux avec les autres partis. D'où la présence du parti PRP comme président de commission, d'où la présence du parti PEMDA comme aussi président de commission. Depuis le mois de septembre, j'ai saisi M. Biram Souley pour une réunion. Puisque, après tout ce qu'on a fait ensemble, après tout ce qu'on a vécu ensemble, après tous les combats qu'on a portés ensemble, au Sénégal, dans ce groupe parlementaire, en toute loyauté, quelquefois des combats qui sont allés à l'insu de nos propres valeurs. Lorsque des députés parmi nous ont agressé des femmes, lorsque des députés parmi nous ont insulté des ministres, nous avons fait preuve de solidarité parce que nous avions le sentiment d'appartenance à cette grande et belle coalition. Depuis le mois de septembre, M. Biram Souley fait dans le dilettantisme, refuse de discuter avec nous, refuse de parler avec nous, refuse de nous rencontrer. Au début du mois d'octobre, je l'ai relancé pour lui dire que Monsieur Diop, je ne parle pas à vous en tant que responsable politique. Je parle à vous en tant que président du groupe parlementaire. Un groupe parlementaire composé d'hommes et de femmes qui sont d'égale dignité, dont certains sont mieux formés que vous, plus âgés que vous, plus expérimentés que vous. Je pense que le respect recommande de répondre et de discuter avec les gens. Il n'a pas répondu jusqu'à hier soir, où par l'intermédiaire d'un député, il a mis une note dans le groupe WhatsApp où il demandait à tous les députés qui souhaitaient rester dans le groupe parlementaire d'aller s'inscrire. C'est une démarche inégale, inélégante, discourtoise. Mais nous avons fait fi tout cela. Nous sommes allés nous inscrire tous. Parce que pour nous, Tahaou, ici, il n'y a pas de Tahaou, il n'y a pas de pur, il n'y a que des députés de Askan En nous réinscrivant dans le groupe, nous avons réaffirmé notre allégeance à cette belle coalition, à ce groupe parlementaire qui est Yewwi Askanbi. Lorsque nous sommes arrivés ce matin, nous avons fait encore mieux. Nous avons demandé à notre doyen, Omar Sissé, maire de Rufisque, et à M. Babacar Meng, maire de Anne Beller, député maire de Anne d'aller restaurer le fil du dialogue. Nous ne voulions pas aujourd'hui, à ce moment précis, en être là où les gens peuvent couper le lien de dialogue parce que nous sommes un groupe parlementaire et que nous considérons presque que nous sommes dernière année parlementaire. Lorsque les doyens sont allés les voir, ils ont salué cela en ouvrant la discussion sur le bureau de l'Assemblée, puisque Yewi avait plusieurs postes dans le bureau de l'Assemblée, Pasteur en avait 5, Tahaou en avait 3, Pur en avait 2, PEM en avait 1 et le PRP en avait 1. Ils nous ont dit que ce sont les leaders de Yewi Askanbi qui sont en train de discuter sur les postes. C'est qui les leaders de Yewi Askanbi C'est M. Ousmane Sonko qui est dans les détentions C'est M. Khalifa Sall qui n'est plus, qui ne participe plus aux réunions, c'est qui C'est de Bousso, c'est Djanté, c'est ça les leaders de Mais nous avons préféré patienter. Nous avons patienté, patienté, jusqu'à nous informe, jusqu'à ce qu'on nous informe que le bureau a été déposé sans les membres du bureau de Tao Sénégal. Pastef pouvait prendre ses postes et laisser aux autres leurs postes. Pastef pouvait prendre ses postes et laisser à Tahaou au PRP et aux autres forces politiques leur poste. Ils ont préféré inscrire leur nom sur leur poste et inscrire leur nom sur nos postes. Face à cette situation-là, nous avons considéré qu'il était important pour nous de nous retirer du groupe. Tout ce qui s'est passé aujourd'hui est l'expression d'une grande irresponsabilité politique. Comment une coalition comme la nôtre, qui crie partout le besoin d'une transparence dans l'Assemblée, le besoin d'un dialogue franc dans l'Assemblée, puissent renoncer aujourd'hui à des postes. Puisque vous savez que si nous coûtons le groupe, le groupe parlementaire va perdre au moins quatre postes, dont le poste aussi important de deuxième questeur, un poste de vice-président, un poste de secrétaire élu et des postes de commission. Les gens ont préféré réduire l'influence de Yehu Askanbi dans l'Assemblée plutôt que de faire preuve de lucidité, de faire preuve de bon sens, de faire preuve de courtoisie. Encore une fois, Wallou nous vient de nous donner une notion politique. Puisque Wallou avait dit que tous les gens qui sont candidats ne resteraient pas dans le bureau l'Assemblée. Moumoula est candidat, Baradoli est candidat. Mais après discussion, ils ont considéré que l'Assemblée n'a rien à voir avec les candidatures. Donc Moumoula Diallo son poste de vice-président, Baradoli garde son poste de, deuxième euh, président du groupe parlementaire Wallou et que la vie parlementaire de ce groupe-là continue. Aujourd'hui, nous aurions pu faire pareil Chacun prend ses postes et la vie parlementaire de Yéhu Askanbi continue. Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est un renoncement, c'est un recul démocratique, c'est un manque de responsabilité, c'est un manque d'intelligence politique, c'est un manque de courtoisie et d'élégance politique. Est-ce que c'est pas une revanche euh, par rapport à ce qui s'est passé à la l'élection Il ne faut pas confondre les institutions. Ces deux institutions n'ont rien à voir. À la ville de Dakar, ce qui s'est passé est parti d'une décision de justice portant sur la parité. Ici, rien ne nous empêchait de discuter en toute franchise. Parce que ce qui vous dit que c'est stupide, mais si nous, on sort du groupe, ils perdent les postes. Donc, ils ne nous ont pas privé, nous, de postes. Ils ont privé Yéwi de postes. Donc, ce qui s'est fait, c'est juste une méchanceté, une idiotie sans nom, qui a fait que Yéwi va perdre toute son influence aujourd'hui dans l'Assemblée. Puisque si nous, nous perdons les postes, eux, ils ne les prennent pas. Aujourd'hui, c'est Benno Bokoyakar qui va se renforcer avec trois postes. Et Benno Bokoyakar va récupérer et le poste de caisseur et le poste de caisseur adjoint. Vous pensez que c'est un hasard que le, caisseur, après toi, deux mandats, ait décidé d'aller ministre C'est parce que pour la première fois, il avait une force contraire qui, lui, qui rendait la question moins intéressante. Aujourd'hui, on vient de leur faire une fleur. Ils vont retrouver toute leur puissance sur le budget de l'Assemblée et l'exiger comme faut. On n'aura plus que les médias pour pleurer, ce qui est totalement irresponsable. Ok, honorable, avec ces nouvelles données, est-ce que y euh, a va avoir un, groupe parlementaire quand vous démissionnez d'un groupe parlementaire, vous ne pouvez pas avoir un groupe parlementaire. Vous voyez à quel point notre démocratie est, séquestrée par les conflits de personnes. Ça a été fait à la suite du conflit qu'il y avait entre Diagne Fada et lui. Aujourd'hui, Tao Sénégal, qui a des maires, qui a un parcours, qui a des députés, mérite d'avoir son groupe et d'avoir sa réflexion. PASTEF, qui est un groupe politique avec un discours peut-être plus radical, peut-être plus souverainiste, peut-être plus nationaliste, avait le droit et le devoir d'avoir son groupe d'assemblée. Le Wallou nous a montré que dès le départ, ils ont eu le groupe parlementaire parce que Wad a ici un groupe depuis 1976 et Benno a son groupe. Donc notre démocratie aujourd'hui reste encore une affaire d'hommes, une affaire de, de querelle de personnes et n'est plus une affaire d'intention, d'idées ou de positionnement dans le champ de la République. on ne regrette rien du tout. Nous sommes dans cette démocratie depuis longtemps. Nous sommes dans l'opposition depuis 2012. Nous avons eu à exercer des fonctions importantes. Aujourd'hui, nous gérons encore la capitale. Nous sommes 14 députés élus. Il y a quoi à regretter, madame Absolument rien. Ce que nous regrettons, c'est que des gens ne sachent, jamais faire preuve de responsabilité quand ils le font. Et ils apprennent donc que la politique n'est pas une affaire de cœur, c'est une affaire d'intelligence. Et il y a demain, il y a un avenir à tout. Parce que décision. groupe parlementaire Yewwi Askan bi bobu batay ah defe naa depuis ci dialogue bi dañuy def lepp luñuy def duñu ci bolé mu jaaxaloon ñu trop ndax bañuy ñuy ñëw fii dañuy néwon lepp lu am Yewwi Askan bi du impacter groupe parlementaire bi biñu togué togué tok ba gis ñu kenn ci mois de septembre bi le 12 septembre man ma jël ci man wo Birame Souleye ne ko Birame Souleye groupe bi dang ko bok say nawlé ñu le ëpp jang ëpp la jaar-jaar njëkk la falu kon lii cër ak lii respect mooy que nga oo nit ñi wax ak ñoom bu dee am na problème ñu waxtaanee ko tontuwuma ba mois d'octobre ma yónnee waat ko message tontuwuma ba démb mu bind benn note dugal ko ci groupe whatsapp groupe parlementaire yeewu askan bi daal di ne képp ku bëgg a bokk groupe parlementaire yeewu askan bi demal nga siñe fédéli ne ci groupe parlementaire bi nga bokk ñun ñëpp ñu dem signé sans parce que dañ japp ni yeewee askan bi la bok biñu ñëwé tay ñu def lénen encore mo ñu suñu ay mag yu melna doyen Omar Cissé maire de Rufisque ku melni suñu mag Babacar Meng maire de Hann ne ko demal nga waxtaan ak ñom nga wax leen ni fi groupe parlementaire bi am yo xamné xaju fi et kay fi bu dé benn at mo fi dess war na mëna rafet ñu teg ay jéego ñu xamné ne xëy na Sénégal yi ci gis seen bop ñu ne ñu waaw d'accord ñu koy waxtané ñu leen parce que lu jëm ci bureau bi da ngeen am seen ay poste yeen poste am ngeen 5 poste Amgen, président groupe parlementaire vice président groupe parlementaire vice président assemblée Amgen ngeen ñaari commission Amgen kester adjoint kon Yen, bu ngeen amee ay poste kay wa ya xayti ñun ñu am vice président secrétaire élu ak ben commission xanaa ngeen delloo ñu ay poste wa PUR de sen ay poste wa PEM jël ay seen ay poste wa PRP jël seen ay poste ñu ne ñu ah leader Yewwi Askan de ñu ngay waxtaan leader Yewwi Askan Wi kan la Ousmane Sonko mu ngi ci ndogal Khalifa Sall bokkatu ci kan mooy leader Yewwi Askan bi ñu toog ba ngoon gi waxuñu dara ñu jékki-jékki ñu ne ñu ah ñoom de bureau ba ngeen nekkoon taxaw nañ ci tànk génne leen ci ñu ne ah loolu dafa xaw doy waar ndax nag mun leen jël seen ay post bind seen ay tur jël suñu ay post bind seen ay tur loolu du xel du politique du ànd moo tax ñun tamit ñu posé acte politique mooy génn groupe parlementaire Yewwi Askan bi te buñ ko génnee groupe parlementaire bi dafay dégg juróom benn fukk ak ñett wàcc ba 39 kon poste yi ñu bëggoon xañ ñun Yewwi Askan da koy daal di ñàkk kon tey Yewwi Askan bi ñàkk na ñeenti post ci bureau bi y compris poste bu am solo bu mel ne questeur adjoint mu nekk lu doy waar ndax loolu moom kenn xamul lu mu doon kenn xamul iñaan la kenn xamul wayeedi la kenn xamul irresponsabilité la kenn xamul lu mu doon mais lu ci mënti am rek mooy que ñun bañ fiy ñëw fii il y a un an liñ ci amoon mooy rendez-vous à Ngor Jaarama à ken xaru won poste ken xaru won dara kon ñun poste indi woon fi li ñu amoon solo moy ka tay li ñu naqari mooy que groupe parlementaire Yewwi Askan bi ñak na influence am ñak na contrôle sur le budget ñak na ay poste ñak na temps de parole et c'est extrêmement dommage pour la démocratie du Sénégal loolu la ñuy naqarlu non buñu jaawale luñu bokul ndax fa lay décision de justice le le, le, le jógee tay mënon na japp ni fayu la bu fekkee ñom poste dañu koy jël mais poste dañ ko ñak waaw yow poste yi nga xamante ne yow mënoo ko jël mais jox ko ñu ko moom mais nga ñàkk ko ku ko jël Benno Bokk Yaakaar moo ko jël kon ku ñàkk tey tey Yewwi Askan bi moo ñàkk tey opposition Sénégal moo ñàkk tey acte bi ñu fi posé acte irresponsabilité la ndax ci biir ay institutions kenn du xalaatee nii kenn du jëfee nii kenn du waxee nii et c'est extrêmement dommage Abba Mbaye Sénégal dang